parce que ça fait deux semaines que nous en bu ak coach travail tactique voilà parce que Nous <clears throat> aidé défendre parce que nous défendre Brésil si sax euh, mer parce que nous sommes C'est donc euh, voilà résultat bi venu. parce que <laughs> parce que nous la parce que duel foog ñu gagné ko parce que ñun loolu ñu jàpp foog ñu gagné duel yëpp parce que bu ñu bëggee gagné Brésil moom foog nga gagné duel yëpp waa ba pare contre attaque yi nga koy nga koy assuré waaw loolu la loolu waaw loolu lañ def moo tax merci beaucoup